Je suis chez moi, et bien chez moi à Rufisque. Ils m'ont fait l'honneur, avec mon ami le ministre d'État Ismaël Major Fall, de présider à la cérémonie d'inauguration du siège du Conseil national Lébou. Le ministre d'État vient de le dire, les autorités traditionnelles n'en sont pas moins pour autant des formes organisées et rationnelles. Et quand une autorité sent, du point de vue de sa croissance, l'impératif de devoir s'institutionnaliser, c'est-à-dire s'établir officiellement quelque part, ça correspond à une étape très particulière de son évolution. Et c'est ce qui est arrivé avec le Conseil national bouts, du Cap-Vert. Couper le ruban d'un siège qui exprime toute notre fierté, puisque ce siège est au cœur de Rufisque, le faire dans un bâtiment d'inspiration coloniale constitue une continuité de la trajectoire historique. Et il le dit très régulièrement, on ne peut comprendre un phénomène hors sa résonance historique. Et pour comprendre la collectivité Lébou et la communauté Lébou, son rapport au pouvoir, puisque la formule consacrée, moi, coutume du contre et la communauté, le Conseil national des, débuts du Cap-Vert vient encore une fois d'affirmer son engagement sans faille, résolu, derrière l'action du président Macky Sall. li nga xamante ne mooy feebar bi fi nekk mu mi si euh, sababu euh, sunu bokki yi di le conseil des notables Lebou. dont je suis le président Aladji Malungom. xam ne yàlla dogal na ñoom à l'unanimité ñu ne man maa njiit li dana oote woon tey di def cérémonie de lancement cérémonie de lancement bi nag mooy feeñal bés ni tey départ nañu jëm xeex mbas mi si biir xeex boobu nag dinañu ko xeex si biir Grand Cap-Vert xeex ko si biir département Tëngéej xeex ko au niveau national di ñaan yàlla mu jàppale nu si xeex boobu ba courage bi nu am ba taxawal lii suñuy bokk ñu oote suñuy bokk uy senu fépp fu nu jublu rek yàlla yiw yàlla jubul fi ba nga xamante ne dina ko jeexal si senegal jeexal ko si Afrique jeexal ko si àdduna sépp dinañu def ay brigade brigade yoo xamante ne ñooy doon les relais communautaire si biir douze communes yëpp commune bu sa nekk chef de penc ya fa nekk ak frère ya fa nekk ak jàmbur ya fa nekk ñoom dina daañu taxaw former seen i brigade àndandoo ko ak euh, délégué de quartier yi conseil de quartier yi ASC e yi bàjjenu gox yi imaam yi su ko defee kër gu ne bu ñu fa wàccee jëkk si biir néeg bi génn si saal bi génn si ëtt bi ñu yaraat jikko yi yaraat sunu bopp doog a dem jëm si si biti dinañ def un tour nationale tournée nationale boobu ñu ngi koy commencé Mbour Fatick boo wër Sénégal xam ne bépp chefferie bu fa nekk bëpp chef traditionnel bu fa nekk bépp euh, chef coutumier bu fa nekk daañu wàcc sa gox waxtaan ak yow sensibiliser jox la lan lay jox avancé jàll si beneen dëkk am nañu yaakaar ne buñ ko doxalee noonu boo xamante ne daañu gën a jege askan wi yàlla dina fi jeexal mbas mi mbas mi na nanu gëm yàlla gëm yonente ba xam ne mu ngi fi